forum du studio le forum du studio forum du studio forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio forum Chers auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu, un forum que vous suivez chaque jour à travers euh, le réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct nos programmes dans une vingtaine de départements du pays ainsi que dans toutes les capitales régionales. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu et notre site internet euh, www.studiokalangu.org. Nous sommes encore très ravis de vous retrouver pour le rendez-vous du forum de ce soir. Le forum du studio Kalangu, c'est le nom de l'émission, un débat radiophonique avec des spécialistes et autres personnes ressources sur des thématiques riches et variées traitant des sujets d'actualité et de société avec pour seule ambition de vous éclairer sur des questions que vous vous posez habituellement. Société et violence, tel est le thème auquel nous allons nous intéresser ce soir au cours de ce forum. S'il y a un mal dont les gens se plaignent de plus en plus de nos jours, eh bien c'est cette violence qui semble être omniprésente, c'est-à-dire difficile même de la définir tant elle est présente dans la plupart de nos actes. On parle ainsi de violence physique qui est la plus apparente, mais aussi d'autres formes de violence non moins blessantes telles que les violences verbales, sexuelles, psychologiques, etc. Disons en gros que la violence est ce mal qui nous est fatal dans toute vie en société et dont chacun est appelé à contribuer à sa bonne gestion du fait que toute violence est susceptible d'engendrer d'autres maux plus désastreux pouvant causer des dommages mortels. Bien au-delà, il existe encore de plus en plus de violences qui surgissent en dehors de la volonté de certaines personnes. Il s'agit des guerres qui peuvent découdre de la volonté des États ou d'un groupe d'individus pour diverses raisons, avec toujours des conséquences fâcheuses pour les humains, ce qui donne à la violence un caractère protéiforme que nous allons voir au cours de ce forum. Que signifie donc la violence Quelles en sont ses causes profondes Comment se présente la violence aujourd'hui que veut réellement exprimer tout acte de violence Existe-t-il des violences inconscientes S'il est vrai que l'État est le seul à avoir le monopole de la violence légitime, sa violence à l'encontre des citoyens est-elle toujours légale pour préserver la paix en société on dit habituellement que nul ne peut se faire justice pour expliquer le fait que personne ne doit répondre à la violence par la violence, sauf en cas de légitime défense, dont les conditions sont soumises à ce niveau à l'appréciation du juge. L'État, qui est le seul à avoir ce monopole de la violence, arrive-t-il toujours à apporter réparation aux personnes violentées, cas du viol ou du viol par exemple, cas du vol ou du viol donc, par exemple, où la riposte de la société paraît plus rapide en cas de flagrant délit. Comment bien gérer la violence pour éviter qu'elle crée plus de malheur que du bonheur Faut-il nécessairement avoir des actes de violence pour aboutir à la paix Quelle est la leçon qu'ont toujours voulu donner les partisans de la non-violence Quelles sont les conséquences de la violence Quels sont les facteurs qui constituent actuellement des sources de violence sociale Peut-on arriver à se débarrasser complètement de la violence pour asseoir une paix définitive dans la société Quel est le bien fondé de la recherche de la paix sociale malgré les divergences Cette paix peut-elle être pérenne C'est à toutes ces questions et à d'autres encore que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit ce soir comme invité un, un philosophe et un sociologue. Il s'agit de M. Lawli Abdouliman, professeur de philosophie, ancien conseiller pédagogique et actuellement en formation pour l'inspectorat en philosophie. M. Lawli Abdouliman, bonsoir. Bonsoir, M. Diji. Le deuxième invité, c'est M. Abdoudam Malam. Nous l'avons en ligne de Maradi. Il est sociologue. Monsieur le sociologue, bonsoir. Euh, bonsoir, bonsoir. À la présentation de ce forum, vous avez Michel Diji. Nous allons commencer avec vous, Monsieur Loli Abdelimam, philosophe. Euh, comment peut-on définir la violence et quels en sont, euh, on peut dire, euh, les liens qu'on peut en faire entre pouvoir et société Ok, merci bien, Monsieur DJ. je pense de façon générale, hein, on peut définir la violence comme étant une modalité ou une expression de la force. Ou encore de façon plus précise, peut-être, la violence est tout acte ou tout comportement qui portent atteinte à l'intégrité physique, euh, psychologique, morale, ainsi de suite, euh, d'autrui. Mhm. Donc euh, voilà, je pense peut-être que pour mieux élucider ce thème, il convient de préciser un certain nombre de choses a priori. pour qu'il y ait violence, normalement, il faut qu'il y ait l'intention vraiment de porter dommage à autrui, de porter préjudice. par exemple, les interventions, disons, d'un chirurgien sur le corps d'un patient ne peuvent pas être jugées de violente. Pourquoi Parce qu'elle vise à guérir. Mhm. Voilà, et non donc à, causer un dommage à autrui. Euh, voilà. Et puis ensuite, il faut dire que on peut tout à fait faire violence, je pense, sans utiliser la force. Mhm. Parce que euh, il y a par exemple euh, la, violence subtile, symbolique, qui peut être invisible même pour les victimes elles-mêmes. N'est-ce pas Exemple, rabaisser insidieusement quelqu'un, ainsi de suite, c'est lui faire violence. Donc on peut parfaitement faire violence, euh, vraiment sans utiliser la force. Quel est le lien que la violence a avec le pouvoir Oui, avec le pouvoir. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de liens. Peut-être je vais juste m'accrocher à Machiavel, hein, hmm. qui dit que justement, tout tenant du pouvoir, pour rendre son pouvoir périn, euh, a besoin d'avoir de son côté, a donc besoin d'avoir le monopole de la force et de la violence. Il faut absolument qu'il ait le monopole. Euh, qu'il est donc, qu'il soit celui qui, l'exerce, euh, en tout cas de façon efficace, beaucoup plus que, que, que tout le monde. Donc, euh, nécessairement, tout pouvoir pour être pérenne, n'est-ce pas, pour pouvoir être durable, a besoin d'avoir euh, le monopole de la force et la violence. En tout cas, si l'on s'en euh, tient, je pense à Machiavel, euh, et je pense que c'est pas faux de, ce point de vue. Machiavel, qui est un philosophe du XIIe siècle, on le verra plus tard. Monsieur Damalam, à votre niveau, quelle explication sociologique peut-on donner à la présence de la violence dans les rapports qu'entretiennent les humains donc, euh, ici, on peut définir la violence euh, comme toute euh, sorte de force physique, morale, psychologique exercée sur la personne humaine et qui porte atteinte à sa personnalité, à sa dignité, à son honneur. Mm-hmm. Aujourd'hui, la violence est un peu partout dans les phénomènes euh, sociaux. Et cela est dû au fait qu'il y a plusieurs facteurs qui engendrent cela, mhm. et comme par exemple euh, cette violence est observée dans certains milieux en fonction d'intérêts et de l'autre en fonction euh, de la sociabilité entre les personnes nous prenons euh, ces différentes formes de violence, elles euh, sont différentes d'un milieu à un autre. Mhm. Euh, la violence observée dans les milieux urbains est différente des formes de violence qu'on observe en milieu rural. Mhm. Donc, ces, ces, différentes formes de violence ont pour cause, au niveau de nos différentes sociétés, et, l'injustice sociale, l'oppression, des fois quand il y a inéquité entre les personnes, ça finira toujours par créer une sorte de violence. Et la violence, qu'elle soit physique, morale, psychique, c'est toujours violence. Mhm. Mais les formes les plus apparentes de nos jours, c'est la forme physique que eh, les gens voient. Mais il y a la violence morale qu'on exerce sur une personne mm. par rapport à sa dignité ou par rapport à la morale sociale. Mm-hmm. Et par contre, quand nous prenons la violence psychique ou psychologique, c'est une violence qui, qui, se voit dans le milieu, qu'il soit le milieu urbain ou bien le milieu rural, mm-hmm. parce que eh, les individus entretiennent entre eux des rapports qui, ma foi, sans pour autant qu'il y ait un dépassement de soi, ça finira par provoquer euh, euh, cette, violence psychologique. Mm-hmm. Et de l'autre côté aussi, comme je l'ai dit, euh, la violence morale prend du jour au jour une grande ampleur mm-hmm. qui est due tout simplement au rapport entretenu entre les personnes, et de soi dans les services, dans les foyers et un peu partout au niveau des, milieux, qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu euh, rural. Mhm. Maintenant, euh, en dehors de ça, mhm. euh, on, peut, on peut dire que la société en elle-même ne peut exister sans contradiction. Mhm. Ces contradictions, elles sont apparentes, d'autres règlent un certain nombre de problèmes, et tandis que d'autres créent des fossés grands là où l'État doit intervenir pour mettre fin à certaines formes de violence. Mhm. Donc on peut dire que la violence euh, est omniprésente, comme on a dit au début de l'introduction. Oui, oui. Ici, la violence, elle est omniprésente parce que euh, dans les rapports entre les humains, il y a toujours euh, des formes de violence qui se développent, mais à des degrés différents à des degrés différents. Maintenant, euh, euh, par rapport à toutes ces violences, il faudrait euh, qu'on retrouve des solutions pour pouvoir mettre fin à certaines violences qui sont plus apparentes que d'autres. Nous allons, mm. nous allons revenir donc euh, sur euh, ces réflexions en ce qui concerne les solutions qu'il faut en trouver. Monsieur Loli Abdoulimam, euh, comment expliquer alors le fait que la violence est partout, comme il a eu à l'expliquer le sociologue euh, Effectivement, il faut, vous faites bien, je pense, de remarquer cette omniprésence de la violence aujourd'hui, euh, n'est-ce pas Il faut dire que il y a violence chaque fois que des personnes ne perçoivent pas le respect qu'il aurait dû. Mhm. <laughs> répète, chaque fois que les personnes ne perçoivent pas le respect qu'il aurait dû. Alors imaginez, euh, justement, donc là, ça, montre vraiment, euh, comment dire, euh, les multiples dimensions de la violence. Chaque fois qu'une personne ne perçoit pas le respect qu'il est dû, alors elle est victime ici d'une violence. je peux donner, par exemple, une image pour que vous voyez effectivement l'extrême variété, n'est-ce pas, des formes de violence. Est-ce que vous savez que même la, même la paix, elle peut être aussi violente que la guerre si elle est obtenue au prix de la terreur, par exemple. Mm. Si elle est obtenue au prix de la terreur, elle est aussi violente que la guerre à partir de ce oui, euh, bien sûr, euh, si la paix est imposée mm-hmm. et que euh, au-delà de, ce qu'on voit, il y a une terreur qui sévit. Mm. Là, je pense que la violence est toujours présente là. Voyez-vous, par exemple, lorsque les pays industriellement développés, n'est-ce pas, achètent à vil prix les matières euh, premières, par exemple, des pays en développement, n'est-ce pas, pour leur vendre euh, au plus haut coût, euh, si vous voulez, les produits manufacturés. Cet échange <laughs> d'apparence pacifique présente aussi, bien sûr, des germes de la violence. Hmm. Voyez-vous il y a violence, par exemple, lorsque dans les pays, par exemple, sous-développés, comme en Afrique, si vous voulez, les gens meurent par dizaines, par centaines, par milliers, alors que d'autres s'ingénient, par exemple, à, créer de nouveaux besoins. Euh, effectivement, cela porte également des germes de la violence. En fait, la violence, euh, si vous voulez, on y présente parce qu'elle a des formes. Par exemple, la violence peut être aussi bien directe qu'indirecte. Euh, je peux tuer de ma main ou donner l'ordre de tuer. Mm. Dans, dans, les deux cas, nous sommes ici en présence de la violence. Mm. Elle prend des formes variables. On fait violence, par exemple, quand on contraint, quand on menace, quand on blesse autrui, etc n'est-ce pas On fait violence, euh, par exemple, en confisquant des livres, en interdisant, euh, je ne sais pas, de, parler une langue, n'est-ce pas euh, En condamnant à l'exil, etc. Tout ça, c'est des formes de violence. Voyez-vous, c'est pour ça donc qu'on parle de l'omniprésence de celle-là parce que elle est extrêmement multivariable vous, prend des dit, formes extrêmement. lorsque la, paix est imposée, ça, peut être considéré comme une violence. Mais bien sûr, euh, si elle est imposée au prix de la terreur, nous sommes mm. toujours en présence de la violence. C'est-à-dire, par exemple, si on oblige les élèves à se taire dans une classe, est-ce une violence <laughs> Oui, bon, euh, évidemment. Euh, on ne peut pas obliger. Je vais dire, ici, on, quand on oblige les élèves euh, je pense que c'est là le cas d'un enseignement. Et l'enseignement a besoin de calme. Mhm. En ce moment, euh, je pense que euh, on ne peut pas parler de violence, puisque le but visé, c'est bien sûr le bien. Alors que, bon, initialement, je disais tantôt, on, parle ne parle de violence que quand il y a intention de porter préjudice, mhm. n'est-ce pas, de causer dommage. C'est en ce moment seulement qu'on peut parler de violence. Mais dans l'exemple que vous citez, <laughs> je pense que euh, euh, dans une classe, on a besoin de sérénité, de quiétude. Mhm. Et donc, quand on impose, euh, voilà, un silence, on ne peut pas dire qu'on fait violence aux élèves en ce moment. Dans un État, nous avons le cas de l'état d'urgence, par exemple, que le gouvernement décrète après l'avis, bien sûr, du Parlement. Qu'en est-il à, ce niveau L'État qui prend des mesures uh-huh. qui permettent quand même de conserver la paix et de beaucoup plus agir et favoriser, faire la promotion de la paix. Tout à fait. Je pense que, bon, euh, dans des cas exceptionnels ici, il s'agit quand même de l'intérêt général. Mhm. Euh, là, c'est vraiment un cas un peu particulier. Quand l'intérêt général est visé, euh, je pense qu'on peut restreindre des libertés. Ça, ça s'est vu même, je pense, dans des pays de démocratie plus évoluée, mhm. même aux États-Unis, n'est-ce pas Donc, vraiment, il y a des cas. Bon, dans ces cas-ci, je pense que euh, on ne peut pas parler ici de violence. Je vais dire puisque euh, l'intérêt visé, je pense que vous ne devez, pas perdre de vue ce que j'avais dit au début. Quand le, but, l'objectif, euh, voilà, de ne pas nuire, on ne peut pas puisque là, exactement. Mhm. Donc je pense que c'est toujours dans le, disons dans le même cas ici. Nous sommes dans le même cas. Justement, nous avons la violence qui peut aussi contribuer à aider une personne, notamment dans le domaine de l'instruction ou de la formation. Là, les points de vue divergent quand il s'agit de la latitude qu'a l'enseignant d'appliquer la violence vis-à-vis de ses apprenants. Quelle analyse, monsieur le sociologue eh, la, violence euh, en milieu scolaire, là aussi, se voit sur plusieurs angles. Eh, il y a la violence verbale et la, et la violence physique. Maintenant, ce qu'il faut, bannir euh, au niveau de, dans, le milieu, le milieu scolaire, c'est euh, la violence physique. Mm-hmm. Et cette euh, violence physique a des répercussions sur l'enfant, sur le QI de l'enfant. Maintenant, pour la violence verbale, c'est une façon peut-être de ramener l'ordre dans la classe afin que l'enfant puisse découvrir les enseignements qui lui sont donnés. Donc, en milieu scolaire, et si, cette forme de violence physique est bannie, mais la violence verbale, elle continue de faire cours. Et de fois, il y a la violence entre les enseignants et les enseignants, et il y a la violence entre les élèves tout court. Maintenant, euh, pour euh, un peu mettre fin à la violence entre les élèves, vous, savez, l'État a ratifié un certain nombre, euh, euh, un, certain nombre de lois qui empêchent les élèves d'amener des objets tranchants, des couteaux, de pointe au niveau des établissements. Mhm. Et, vous avez vu cette année, tout récemment, aux États-Unis, un élève qui a porté euh, le plan sur plusieurs étudiants et enseignants. Et là, par rapport à ça, ils ont pris des mesures. Donc, euh, euh, ces formes de violence, elles aussi, ils ont leur source. Peut-être euh, il faut piser dans le fond du système éducatif pour découvrir qu'est-ce qui est à la base de la violence à l'extrême dans le milieu scolaire. Maintenant, pour un peu quand même redevenir, devenir cette pour un peu canaliser cette violence en milieu scolaire, il faudrait qu'on continue à dialoguer entre les différents acteurs, les différents partenaires de l'école. Parce que euh, euh, quand on fait une analyse sociologique des, différents résultats académiques, on se rend compte que euh, lorsque la société avait accepté les châtiments corporels, qui est une forme de violence dans nos écoles, il y a plus de résultats, il y a mm-hmm. plus de rentabilité qu'aujourd'hui où cette forme de violence n'existe pas, on considère que les enfants sont laissés à eux-mêmes et qu'il y a un laissé aller. Mais je pense par rapport à ça, on doit quand même chercher à savoir un euh, le mobile permettant d'améliorer cette forme de violence ou bien cette ces formes de violence en milieu scolaire, qu'elle soit la violence physique ou la violence morale verbale en milieu scolaire, euh, si on parle de violence, comme l'a si bien dit le philosophe, c'est vraiment un désagrément pour l'enfant parce que le milieu scolaire a besoin de la quiétude, a besoin de la euh, sérénité pour qu'on puisse euh, concevoir et, recevoir le message que l'enseignant voulait passer à à ses enfants. Donc je pense que la violence en est encore un élément qu'il faut bannir dans le milieu scolaire. Il faut bannir la violence dans le milieu scolaire, surtout la violence entre élèves ou la violence que tentent euh, d'infliger certains élèves à leurs enseignants. Mais vous parlez d'aspects positifs en ce qui concerne la violence qu'un enseignant peut infliger à l'enseigné. De votre point de vue, est-ce que vous pensez que cette euh, violence doit être toujours appliquée de nos jours Oui, quand, quand, nous prenons euh, les châtiments corporels, si c'est fait dans les règles d'art, dans le but d'amener l'apprenant à cerner ou à comprendre ce qu'on lui apprend. Et moi, je pense que on doit un peu revoir le système. Ce n'est pas euh, le fait qu'il y a ce, ce châtiment corporel, mais c'est les lois qui entourent le système qui font qu'aujourd'hui, l'enseignant n'est pas à mesure euh, d'exercer cette forme de violence sur l'enfant. Mhm. On en a vu dans plusieurs euh, euh, euh, groupes ethno-linguistiques, là où certains acceptent de, façon formelle le châtiment à l'égard de ces enfants. Et on a vu ailleurs, certains groupes sont réfractaires, sont contre ce système. Mais les résultats ne sont pas les mêmes mhm. parce qu'il y a toujours cette étiquette entre cet enseignant qui exerce la violence par le châtiment corporel dans sa classe et l'enseignant qui n'exerce pas ce châtiment corporel. Mais l'un de l'autre, j'ai dit, certes, ici, on a vu la portée, mais le contexte actuel, avec euh, tous les textes que les Niger, par exemple, à Rakhine, ne peuvent pas permettre à l'enseignant de continuer à faire les châtiments corporels. Maintenant, si cela n'est pas possible, il faudrait que les acteurs soient tous sensibilisés par rapport euh, euh, à, la violence au milieu, scolaire. Monsieur Loli Abdoulimam, vous, vous êtes euh, enseignant toujours sur le terrain. Est-ce que vous, pensez, en tant qu'enseignant, qu'on peut enseigner sans faire violence sur les scolaires, c'est-à-dire les apprenants, les élèves Oui, bon, je ne sais pas, parce que là, tout à l'heure même, le, sociologue hésitait à appeler violence, le, comment dire, le, euh, ce châtiment-là. Le châtiment corporel, qu'on peut obliger, justement. pour amener, tout à fait, amener l'élève à mieux apprendre. Voilà, exactement. Hmm. Euh, je suis d'avis, hein. je suis du même avis que lui. Euh, qu'effectivement, aujourd'hui, l'abandon quand même de ces châtiments-là corporels ont quand même faibli un peu le système. Bon, je pense qu'il faut retourner, mais dans la règle de l'art. Je suis vraiment <laughs> d'accord avec ça. Mhm. Euh, de temps en temps. En fait, le but, c'est quand même euh, d'amener l'enfant, ne serait-ce que par la contrainte, mhm. vraiment euh, à chercher ce qui est bien pour lui. Mhm. De ce point de vue, vraiment, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas Mais vraiment, quand c'est appliqué dans la règle de l'art, on ne dit pas de frapper l'enfant jusqu'à le laisser presque à demi-mort, bien sûr. mais de temps à autre, pour l'effrayer, pour l'amener, pour le motiver. Bon, on a besoin quand même euh, de ça. Voilà, je pense que c'est cela mon avis. Au lieu de la violence, il y en a qui préconisent le dialogue, même au niveau de l'enfant, quand il arrive à être euh, bien euh, en fait mhm. éduqué à la mhm. maison et tout ça. Peut-on mhm. remplacer à ce niveau la violence par le dialogue, Monsieur Loli, au sein d'un groupe de personnes appelées à vivre ensemble, un couple par exemple Tout à fait. effectivement, le dialogue est un des moyens pour résoudre, euh, je pense, la violence. Hein. Euh, regardez toutes les guerres, tous les conflits finissent toujours par le dialogue. N'est-ce pas Donc euh, là, on se met à l'écoute de la singularité de l'autre. Il y a un échange qui s'institue entre justement les deux antagonistes, n'est-ce pas Et donc là, il y a une possibilité de compréhension et donc de surmonter le problème. Euh, donc, c'est un des moyens les plus efficaces, à mon avis, parce que <laughs> vous vous rendez compte que toujours tous les conflits finissent toujours par le dialogue. Mm. Même chez nous, quand on a refusé un moment, par exemple, on a appelé les rebelles, euh, si tu veux, des bandits. Mais bon, on a fini par accepter de s'asseoir avec eux. Bon, c'est partout comme ça, pratiquement. Mm. De sorte que, à mon avis, c'est un des moyens les plus efficaces, mm. euh, vraiment, pour pouvoir transcender aujourd'hui la violence. je suis d'accord avec cela. Surtout dans le cadre d'un couple, comme vous le dites, hein, euh, appelé à vivre toute une vie. Je pense que c'est difficile de vivre constamment, ou de façon permanente, euh, en conflit, n'est-ce pas, ou avec la violence. Évidemment, c'est bien sûr le, euh, c'est le dialogue qui est bien sûr ici conseillé, je pense, dans ce cas-ci. Monsieur Lollet, est-ce qu'on peut arriver à bouter la violence de la société ou constitue-t-elle un mal nécessaire qui doit être rendu à tout prix parfois Oui, je pense que effectivement, il y a des moyens pour transcender, pour juguler la violence. Euh, ces moyens existent. Hein. Euh, on a déjà parlé, par exemple, ici tout à l'heure du dialogue. Mais le problème, c'est que tous les moyens disponibles, euh, ils ne sont pas insensibles de critique. On peut tous vraiment les critiquer. Et peut-être c'est pour ça que la violence continue à avoir cours <laughs> aujourd'hui dans notre monde. Mm. le dialogue, on a tout à l'heure, par exemple, vanté ses mérites, n'est-ce pas Mais on se rend compte, souvent, on peut aboutir à ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Mm. C'est quoi un dialogue de sourds C'est justement quand on parle dans la négociation et qu'on va pour imposer son point de vue et non pas pour faire valoir mes raisons et écouter les raisons de l'autre, afin donc que nous puissions euh, euh, nous entendre, n'est-ce pas, sur les vraies raisons. Donc là, c'est un des moyens vraiment pour euh, juguler la violence, à savoir le dialogue. Il n'y a pas que cela. La non-violence est un des autres moyens. Mmh. je pense que la non-violence a été un moyen utilisé, d'ailleurs, par exemple, par Gandhi, mmh. qui en est le promoteur, mmh. par exemple, en Inde. Il a, s'il vous plaît, pratiquement libérer son peuple de l'oppression coloniale. qui est un hein. révolutionnaire, hein, qui a utilisé la non-violence. il a, utilisé la non-violence. Et mhm. c'est une arme efficace parce qu'elle a permis, par exemple, de libérer son peuple euh, vraiment du joug colonial euh, que, que leur imposaient les Britanniques. Bon, euh, là également, il y a des avantages, bien sûr, mais euh, la non-violence n'est ni une solution de facilité. Euh, vraiment, n'est pas du tout facile. Parce qu'à mon avis, pour être non-violent, il faut avoir, par exemple, une hauteur d'esprit, euh, qui n'est pas une chose commune à tous les hommes, mhm. euh, naturellement. N'est-ce pas Parce que dans la non-violence, ce n'est pas non plus une solution de lâcheté. Mhm. <laughs> Parce que quand on est lâche, n'est pas facile d'être non-violent. Parce que quand on adopte la non-violence, on n'empêche pas à l'autre d'exercer une violence sur nous. Mais nous, nous prenons sur nous euh, vraiment de commencer la paix en n'utilisant pas la même arme que l'adversaire. Mhm. Et, ça, c'est un avantage. Donc voilà en quoi elle est difficile, là aussi. Vraiment, tout le monde ne peut pas être non-violent. Parce qu'elle suppose, comme je l'ai dit, une élévation d'esprit, quelqu'un qui vous frappe, vous refusez de, euh, rendre le coup. Peut-être que vous allez être moqué par les autres, mais vous, vous pensez, bon, par exemple, essayer de le moraliser, ainsi de suite. Euh, donc, ce n'est pas une chose qui est commune à tous les hommes, ce n'est pas une chose qui est facile. Euh, non plus parce que vous n'empêchez pas à l'autre d'user la même violence sur vous. Mais vous décidez de ne pas vraiment utiliser euh, le même canal, la même arme que lui. Mhm. Donc, euh, je pense qu'il y a un troisième moyen aussi pour transcender tout ça, la violence, c'est la raison. Assez souvent, vous voyez que quand on vient au conflit, quand on vient à la violence, c'est parce qu'on n'a pas souvent donné priorité à la raison vraiment, quand on a la priorité, c'est difficile que nous, en venons en fait euh, à la violence. Bon, l'homme violent, même par exemple quand il accepte de parler, il veut imposer par exemple son discours aux autres. Mm. Mais si tu veux, l'homme euh, rationnel, lui, ne sait pas imposer. Il veut avoir, euh, il veut tenir un discours universel qui est un droit valable pour tous. Bon, mais même là, il est à crédit que je sais pas, au-delà de ce euh, de ce dialogue, au nom, de ce discours, justement, que nous puissions imposer euh, une autre forme euh, au, nom de la raison. Voilà le problème. Donc, en fait, des moyens existent. Hein. Le dialogue, la non-violence, la raison. Mais tous ces moyens également ont leurs limites. Peut-être est-ce pour ça que la violence continue à avoir cours. Je pense que c'est possible. Monsieur le sociologue Abdou Damalam, selon vous, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à bouter la violence de la société donc, euh, effectivement, on peut euh, venir à vous de la violence euh, dans la société, même si de nos jours, c'est une chose qui est très difficile par la volonté de, certaines politiques qui ne répondent pas aux aspirations sociales. Parce que pour vaincre la violence, il faudrait d'abord qu'il y ait une justice sociale. Mhm la première des choses, c'est qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait l'équité entre les personnes et entre le partage des biens euh, de la communauté. Cette équité, cette justice sociale peut quand même euh, vaincre la violence euh, dans, les milieux sociaux, qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural. Au-delà de ça, il y a la sensibilisation. Parce que avant qu'il y ait euh, conflit, avant qu'il n'y ait euh, violence, il faudrait sensibiliser, il faudrait amener les différentes communautés à comprendre la portée et les enjeux d'un tel acte ou d'une telle mesure sociale. Hmm. Donc, au-delà, maintenant, comme l'a bien dit le philosophe, le dialogue. Je n'ai pas commencé avec le dialogue car, parlant de dialogue, il faudrait avoir euh, deux camps en conflit au milieu duquel va se retrouver un modérateur. Et maintenant, on ne veut pas d'abord aller à la violence. Et pour ne pas aller à la violence, il faudrait qu'il y ait cette équité, il faudrait qu'il y ait cette justice sociale et à, tous les niveaux. Donc, qu'il s'agisse du milieu urbain ou du milieu euh, euh, euh, rural. Quand nous prenons, par exemple, dans le contexte du milieu urbain, il y a plusieurs facteurs qui engendrent cette violence. Quand nous prenons le conflit foncier, et quand nous prenons le conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est des conflits qui sont fréquents. Mais on peut, on peut venir à bout de ces, de conflits avec euh, une certaine équité, avec une certaine justice, une certaine euh, sensibilisation. Maintenant, euh, le dialogue. Le dialogue est une voie de recours pour vaincre la violence. Mais cette voie-là, il faudrait qu'il y ait toujours une certaine transparence. Parce que qui dit dialogue dit concession. Il y a une partie qui va concéder certains points qui seront sur la table de négociation. Et maintenant, après, comme l'a si bien dit aussi, nous avions vu en philosophie eh, la, théorie de Gandhi, la non-violence. Mhm. Maintenant, la non-violence, eh, peut-être sous le contrôle du philosophe, je peux dire que c'est encore une violence en elle-même. Parce que ben, quand vous faites la non-violence, il y a cette violence morale, cette violence psychologique qui se crée quelque part chez l'homme. Et qu'on ne voudrait pas qu'il s'agisse de la violence physique, morale, psychologique. Aucune de ces violences n'est souhaitée dans la société. Et c'est par conséquent, je suggère ou je propose comme solution d'abord la justice sociale euh, euh, l'équité entre les individus, entre les personnes et la sensibilisation. Maintenant, après ces deux points évoqués, on peut euh, en venir au dialogue. On peut en venir au dialogue. Parce que quand on parle de dialogue, comme je l'ai dit, c'est lorsqu'il y a déjà la violence. Et il faudrait éviter à la base qu'il y ait cette forme de violence ou qu'il y ait ces différentes formes de violence. Et c'est pourquoi on constate que jusqu'à preuve du contraire, euh, la, violence est un peu partout. Quand nous prions dans le contexte nigérien, qui, font, euh, qui, développe cette violence C'est la jeunesse. Et aujourd'hui, pourquoi Il faut revoir un peu le système, le, le système d'emploi chez les jeunes. Lorsque les jeunes sont frustrés, lorsque les jeunes sont marginalisés. Il va de soi que ces jeunes développent la Mais Mais est-ce que vous pensez qu'il faut répondre à la violence par la violence, monsieur le sociologue Oui, euh, deux fois, fois c'est une théorie. Tous les théoriciens, les grands révolutionnaires répondent qu'il faut euh, répondre à la violence par la violence. Comment faire alors pour tendre vers la paix, puisque c'est la paix qui est recherchée et c'est la paix qui est bénéfique à la société oui, comme c'est la paix qui est bénéfique et c'est la, paix qui est recherchée, il faut éviter la loi du talion. Et, pour un, d'un pour d'un. Là, il faut éviter ça. Il faut éviter. Et pour, pour éviter cela, il faut revenir à la base, maintenant, à asseoir la justice sociale. Et seule la justice sociale est à mesure de vaincre euh, cette violence, de toute de cette forme qu'elle soit nous avons vu, il parle de la responsabilité de l'État, M. Loli Abdelimam. S'il est vrai que l'État est le seul à avoir le monopole de la violence légitime, sa violence à l'encontre des citoyens est-elle toujours légale pour préserver la paix en société Autrement dit, le pouvoir euh, a-t-il nécessairement besoin de la force pour s'exercer mhm. Ok, <laughs> je pense qu'il y a plusieurs volets dans votre question. Mhm. Euh, effectivement, est-ce que le, est-ce que comment dire, est-ce que le pouvoir a nécessairement besoin de la force pour s'imposer Peut-être que je commence par le dernier aspect. Euh, je pense que euh, celui qui exerce le pouvoir n'a pas nécessairement besoin de la force pour pouvoir s'imposer, dans la mesure où euh, vous pouvez le remarquer, Monsieur Dj, mais c'est ça le mystère, je, pense, du pouvoir. La force est toujours du côté des dominés et non du côté du, du dominant. Mmh. Je répète, la force est toujours du côté des dominés et non du côté des est C'est vrai que celui qui est au pouvoir peut euh, avoir une haute protection. Il peut même construire des murs pour se protéger et tout ce que vous voulez. Mais euh, chaque fois que le peuple se soulève, comme un seul individu, contre, si vous voulez, un pouvoir, euh, je pense que du jour au lendemain, il sera défait. Et ça, c'est une chose qu'on a vue à côté de nous comme au plus éloigné. C'est une règle universelle. La force est toujours du côté des dominés et non du côté des dominants. C'est pour ça que je pense que ceux qui dominent doivent toujours avoir à l'esprit cela. Euh, il faut toujours se méfier quand même euh, de l'utilisation de la C'est à ce niveau des théories, c'est à cause de ça Machiavel euh, a eu à faire des analyses par rapport à ça, notamment à travers le prince. Qu'est-ce qu'il veut expliquer en fait, oui. Monsieur Lollet D'accord. Effectivement, parce que l'État aussi ne doit pas être faible pour quand même pouvoir assurer son rôle pleinement bien sûr. Effectivement, vous avez raison. Machiavel, je l'ai dit tout à l'heure, euh, conseille au prince, n'est-ce pas, donc à celui qui est le détenteur du pouvoir, d'avoir le monopole, la force et la violence. Mais je pense que, quelque part, il a aussi expliqué. Il y a une bonne et une mauvaise violence. Euh, la violence euh, est bonne justement quand elle détruit l'adversaire une fois pour toutes. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous avez le pouvoir, euh, il faut montrer euh, à ce que vous dominez que vous avez vraiment le monopole de la force. Une fois que vous sévissez, vraiment c'est pour mettre fin, euh, si vous voulez, à la déstabilisation, ainsi de suite. C'est pour effrayer, c'est pour euh, dissuader vraiment, n'est-ce pas, ceux que vous dirigez, vraiment de ne pas faire ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Mais la violence, justement, est mauvaise quand elle est répétitive, n'est-ce pas Quand elle est assez faible pour devenir, justement, une terreur continuelle et permanente. En ce moment, c'est une mauvaise violence. Euh, je pense que vous <laughs> pouvez le voir même à l'exemple, euh, à partir de ce qui se passe, euh, pas par même sur notre terrain. Quels sont les gens qui, qui le plus n'ont pas peur des forces de l'ordre Je pense c'est par exemple le, le milieu étudiant. Pourquoi Parce qu'à force de s'opposer à eux, assez souvent, donc ils n'en ont pas peur. Voilà la situation. Donc il ne faut pas, quand vous dirigez, que vous utilisez très souvent la force. Il faut éviter ça, c'est une mauvaise violence. Mmh. Il faut que vous ayez le monopole de la force pour dissuader voire même pour détruire <laughs> une fois pour toutes euh, vraiment ceux qui veulent porter atteinte à votre pouvoir. Voilà, bon, je dois dire, hein, les procédures de Machiavel, euh, souvent, d'ailleurs aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise, n'est-ce pas, pour montrer, c'est-à-dire quand on parle que c'est un plan machiavélique, c'est pour montrer juste. En fait, il faut comprendre euh, un peu à la base la théorie de Machiavel. Pour lui, l'homme est un être essentiellement mauvais. Euh, parce qu'il dit les groupements humains sont constitués en deux classes d'hommes vous avez euh, des nobles, n'est-ce pas, qui sont ambitieux, orgueilleux, oisifs, donc euh, toutes choses qui montrent qu'ils sont mauvais, et puis ce qu'il appelle la plèbe, n'est-ce pas, c'est-à-dire le peuple qui est de loin, donc euh, je pense numériquement, comment dire, la population la plus importante, il dit qu'ils sont insolents. Donc vous pouvez remarquer que les deux catégories, vraiment, ne sont pas des personnes bonnes. C'est pour ça qu'il dit au, prince de ne pas être bon il doit seulement feigner de l'être, il doit faire semblant, il doit paraître bon. Mais il dit, on ne peut pas faire profession d'homme de bien parmi des hommes qui eux-mêmes le sont, euh, ne le sont pas. Ça, c'est des, des idéologies, c'est des idéologies euh, qu'on aborde en philosophie à ce niveau. Il y a quand même des cas adverses, euh, c'est-à-dire des gens qui disent le contraire. Mhm. À ce niveau, comment faire pour avoir la paix définitive Est-ce qu'on peut arriver à cela, Monsieur Loli Abdelimam, puisque nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum Oui, la paix définitive, bon, c'est un idéal. <laughs> n'est-ce pas Par exemple, qui a été désiré par Kant, hein, qui a écrit le projet de paix perpétuelle euh, il a fait des idées qui ont même servi à la création aujourd'hui de l'ONU que, nous voyons, absolument. Euh, ce n'est pas facile. Hein. Euh, tel que nous avons défini la violence, avec ses formes variables et multiples, ça reste, je crois, un leurre, ça reste un projet, ça reste un idéal, mais c'est pas évident d'y arriver tout de suite. Euh, effectivement, quand vous voulez, comment dire, une paix perpétuelle, une paix permanente, vraiment d'arriver à un État cosmopolitique universel. Euh, sur euh, mondialement, n'est-ce pas, sur le plan juridique et tout, n'est-ce pas, qui amène justement cette paix perpétuelle et définitive. Mais je pense que on est quand même loin de ce schéma euh, parce que la violence a quand même peut-être quelque part ou comment dire une part dans la nature humaine même. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile de mon point de vue. C'est difficile, mais il faut quand même aboutir à cela. Euh, quel commentaire peut-on faire de cette assertion de Félix Oufouette-Boigny quand il dit la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, monsieur le Oui, je suis d'accord avec lui. Euh, il ne suffit pas de professer la paix, n'est-ce pas, de, dire qu'on est un homme de paix euh, pour, que, pour se conduire comme tel. C'est dans le comportement, c'est dans l'acte, n'est-ce pas C'est dans la conduite, je pense, de tous les jours, justement, qu'on traduit qu'on est un homme de paix. C'est pas seulement le professant. C'est pas juste en le disant. Euh, non. Euh, je pense que c'est tout à fait exact. Euh, la paix est un comportement, c'est une conduite. n'est-ce pas Ce n'est pas vraiment juste un mot lancé de ce point de vue. Monsieur le sociologue Abdou Damalam, il a parlé des gouvernants et des gouvernés, quelle doit être l'attitude des gouvernants et quelle doit être également l'attitude des gouvernés pour qu'il y ait une paix dans un pays. pour qu'il y ait la paix entre les gouvernants et les gouvernés, de chaque côté, c'est une dynamique euh, de groupe. Et des fois, cette euh, dynamique de groupe est un peu controverse. Quand nous prenions euh, chez les gouvernants, hum. chez les gouvernés, il y a une logique qui est là. Et cette logique, ils veulent atteindre un objectif bien précis. Et que chez les gouvernants, eux, ils ont leur politique qu'ils veulent asseoir sur euh, ce deuxième groupe qui, ma foi, semble être un peu réfractaire à certaines mesures. Et maintenant, pour qu'il y ait euh, euh, la paix entre les deux groupes, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Il faudrait qu'il y ait une entente. Et cette entente doit d'abord venir par les, les, gouvernants et qui, du reste, ont dans leurs mains le pouvoir qui sont à mesure de prendre des décisions, même si ces décisions-là vont à l'encontre de l'intérêt du deuxième groupe. Maintenant, euh, comme euh, je l'ai un peu suivi avec plus euh, d'attention, le philosophe, on constate que à force de faire le bras de fer entre les deux groupes, le premier a la force publique, la, une, une force euh, qui le protège. Et le deuxième n'a que son engagement. Et cet engagement-là, il est plus fort que la force exercée par l'homme au pouvoir. Parce que euh, euh, le groupe, plus, plus il est incité par un certain nombre de pressions, plus il réaffirmisse un peu les pas et plus il y a du monde qui sont à côté de lui, et de l'autre côté, il y a toujours cette hantise, cette manie de pouvoir insister pour que euh, pour qu'il y ait quand même un contrôle continu des différents mouvements exercés sur ces, euh, des, différents mouvements de ces gouvernés. Un, mot, pour terminer, un mot pour terminer, nous sommes au terme de cette émission, Monsieur Abdou Damalam. Oui, pour terminer, je ne cesserai de dire, pour vaincre la violence, surtout ici au Niger, il faudrait qu'il y ait une justice sociale, il faut qu'il y ait une équité entre les différents groupes ethno-linguistiques, il faudrait qu'il y ait une équité dans les partage des biens de la communauté et il faudrait qu'il y ait sensibilisation par rapport à toutes les mesures qui incarnent la société bonne, bonne gouvernance donc. Il euh, qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue sincère à travers lequel il y aura la participation de toutes les communautés. Merci à vous. Et donc, euh, nous sommes pratiquement à la fin de cette euh, émission. C'est la fin de ce forum donc du studio Kalangu. Merci de l'avoir suivi. Société et violence est le thème débattu. Nous retenons que la paix est quelque chose qu'il faut lorsqu'on vise le développement de tout pays. Nous étions en compagnie de M. de Abdelimam, philosophe, et M. Abdou Damalam. Il est sociologue. À la réalisation, c'était Moustapha Mamansani. À la technique, c'est Nisaka. Au micro, Michel Deji. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.